Chers amis internautes de votre site euh, préféré www.vippeople.net, nous revoilà pour des éclaircissements sur un problème concernant sur euh, une, information qui concernait Moustapha Dieng portant escroquerie foncière et abus de confiance Taïnak comme nous ñu koy VIP People moi site boo xamante ni moo di indi lépp moi leer dem jusqu'au bout creuser xool histoire bi naka la demee tey nag dem nañu seeti ko xamante ni nous ñu maîtriser mbir bi Astako sec. Tay am nañ ko fii en audio Astako Astakor tay nak so gisé ñu contacter la parce que dafa am benn information bo xamanteni ñing koy relayer fan yépp ci presse bi ñu dégg ko ci teus am ay courtier yu jog accusé Mustapha, Dieng ni né daf leen escroquer d'une somme de 28 millions manam. ay terrain yu Papis Demba Cissé jëndol ñom ñoo doon courtier yi ba paré Moustapha dem récupérer commission bobu lekk ko depuis bobu ñi ngi topp ci ginnaaw mu nuñ jot xaalis bobu tay yow yaakaar naa ni yaa gën wu pour expliquer ci lolu est-ce que mën nga ñi xamal histoire bi naka la demee j'ai entendu l'histoire, je, n'avais pas jugé nécessaire d'interférer dans le débat. terrain euh, vient ñuy wax man pour le compte de Papi, comme il m'arrive de faire des achats qu'il me demande de faire selon son, son, désir d'investissement. Donc j'ai acheté le terrain que bandit d'étudiants, et j'ai connu le terrain grâce à Moussa Fadien avec qui nous avons l'habitude de travailler sur beaucoup d'autres dossiers. Donc c'est lui le courtier de cette opération. C'est lui qui m'a introduit à Telium à plusieurs reprises. Durant le processus d'achat, chaque fois qu'il y avait un problème de compréhension de l'inter, c'est au niveau de lui que j'ai tapé pour qu'il intervienne au niveau de, de, de comment de commun accord avec les gens de Telium. Donc, c'est lui que je considère euh, jusqu'à présent informé comme, euh, comme, comme l'agent de facilitation de cette opération. Maintenant, j'entends des gens qui parlent. Moi, personnellement, les ai jamais rencontrés. Je ne les, je, ne connais pas, ni de nom, ni de vue. Et je suis sûr qu'ils ne me connaissent pas. Or, je suis la personne qui a mené tout le processus d'achat du terrain, du début à la fin. Ni vite ni son manager ne sont absolument pas au courant. Donc, j'ai, je les fait. Et la personne avec qui je les fait comme facilitateur, comme courtier, si vous voulez, c'est Moustapha Lien, que du reste, je connais très bien, avec qui Ok, As, comme nous vous entendons, donc on peut dire que ces courtiers-là qui ont fait des révélations, vous les connaissez ni d'Adam ni d'Ève euh, Mieux, je ne les ai jamais vus et ils ne m'ont jamais vu. Je les mets au défi de me, reconnaître sur une photo, comme moi je ne pourrais pas les reconnaître sur une photo. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'ils ont par rapport avec euh, ou les antécédents Absolument, je ne sais pas. Quels sont les liens qui les ont eux en de notre opération. Mais dans cette opération, je ne les connais pas, je ne les ai jamais adressés à la parole et je pense que c'est réciproque. Donc, donc, on peut retenir que pour l'achat de ce terrain, vous avez qu'un seul interlocuteur qui était Moustapha Dien. Absolument, et pas quelqu'un d'autre. Donc, euh, là, je suis, je suis donc, euh, on peut retenir que ce terrain, vous l'avez acheté pour Papis Cissé. Donc, ni Papis Cissé, ni son manager n'étaient pas présents. Parce que le gars a expliqué, il y a Madou qu'on les avait présentés, qui est le manager de Papis Dembélé. Je l'ai rencontré Madou dans un cadre ou, ailleurs, ça, je, ne pourrais ni le réfuter ni l'infirmer. Mais en ce qui concerne ce terrain, l'achat de ce terrain, man ma ko man acheté. pas un autre monsieur X ou monsieur Y que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Et personne d'autre n'a fait l'opération d'acheter le terrain, c'est moi. Donc, aujourd'hui, est-ce que je nañu xam yow mi terrain est-ce que courtier yi jot une commission ak ban courtier moo waroon jot commission xam nga xam nga de terrain il ci commission la commission c'est-à-dire moi la personne avec qui je je traite je, la traite selon mes humeurs et, mes moyens. Mais les frais de courtage que paie Telium, Telium le paie avec le courtier avec qui il a signé. je ne peux pas être plus, plus que le roi. Il y a des, des, des, choses quand même, je ne, je ne, peux pas je ne peux pas me mettre à la place ou dans l'esprit de Stadium est raisonné Mais mon esprit, en tant qu'acheteur, et la personne que je connais et qui a participé à cette opération, il s'appelle Moustapha Dia Il ne s'appelle pas, il s'appelle pas euh, euh, nom. Là, je suis limite là-dessus. Donc, dans l'Union Monédia, pour Madame Tissé, explication, Madame Yo, sa yoon ci commission commission ki ko war joxe moy Téliyam Téliyam moy xol kan moko ko indil affaire bi yow kenn nga sekhlon contact muy Moustapha Dieng te amulen ben problème j'espère. absolument et, et si j'avais si si Téliyam avait à me demander à qui à qui remettre la commission ben je dirais monsieur Moussa Moustapha parce que c'est la seule personne que je connais je connais et que j'ai connue dans ce processus je ne connais pas quelqu'un d'autre Pour doon Téliyam tey daf may la euh, damay joxe commission kan la ko joxe je, suis je lui que la commission de tabac. C'est tout. J'espère que ça, que ça a été clair. Nous avons dit que mon responsable, vous euh, nous rappeler ban euh, lan ngay gérer? Je gère entre autres choses les affaires de, de Papi Dembatité euh, au, Sénégal. Et euh, ce que j'ai trouvé quand même moche dans cette opération, je sais qu'il y a une guerre entre des, gens pour des problèmes de bon mais que personne ne trouve le moyen d'y mêler d'une façon directe ou indirecte le nom de papiste, de son manager ou, de quelqu'un d'autre. S'ils se font leur guerre, qu'ils la fassent tout seuls, mais sans dégâts collatéraux. On n'a absolument à rien à voir dedans. Donc, qu'ils évitent de, de, mêler le nom de personnes bien, de personnes dont la, la, la euh, réputation est, correcte, à un de scandale. Parce que finalement, à un certain moment, on va juste entendre qu'il y a eu quelque chose de louche et on va entendre le nom de parti le nom de, tel ou et les gens vont amalgamer là-dessus. Donc je voudrais bien qu'à l'avenir, qu'il évite soigneusement de, nous y Je, je, ne serai pas intervenu si vous ne m'avez pas appelé. Et, à, l'avenir, je tâcherai vraiment de me tenir loin de ce débat. Mais mon propos, c'est ce que je vous ai dit, il est clair et limpide. Monsieur Moussafa est la personne qui nous a facilité cette opération si j'ai appelé à appeler quelqu'un courtier, agent d'affaires, apporteur d'affaires, c'est bien de lui qu'il s'agit. Bien que je ne sois pas à la place de Télio. Euh, je pense qu'ils sont les bonnes personnes à qui, à qui demander. D'accord, monsieur Astek. Est-ce que vous pouvez nous rappeler transaction Bobo, bonne année là C'était en 2015, hein, 2000, 2015, il y a juste deux ans. Il y a juste, il y a, il y a juste deux ans que, que, que nous avons fait cette opération. 2015. Mmh donc transaction bi ça a duré deux ans pourquoi tu as ñi une ba organisation Bercy escroquerie alors que Bercy mi ngi juin le 4 juin passé. mais je pense que ça ça tout le monde le. allô. Euh. oui allô. allô. D'accord, d'accord, Monsieur Astakosek. Euh, est-ce que vous m'entendez? je vous reçois très bien. Voilà, il y avait une petite coupure pour rappeler aux internautes que l'interview a été faite. Asta est depuis le Sénégal. Moi, je suis en Europe, c'est pour cela. Donc, euh, c'est quelque chose qui date de deux ans, donc qui a été clos. Voilà, euh, je pense que le contexte, cela va de soi. Nous savons tous, nous, sommes, nous suivons par presse qu'il y a une guerre entre euh, la famille de, de, entre Wali et, Mustapha, euh, des problèmes relatifs à leur concert de, Paris. Maintenant, chacun est en train de faire mal à l'autre et c'est ainsi que les gens essaient d'inventer, de sortir hein, des casseroles ou d'en inventer là où il n'y en a pas. Donc le contexte, il est clair. Cela va de soi que, le monsieur a été plus ou moins actionné par, par, des forces tapis dans l'ombre pour faire du, du, du, mal à Tafa. Mais euh, nous n'allons pas aider dans cette opération parce que nous connaissons la personne avec qui nous avons l'habitude de travailler et nous connaissons aussi bien son sérieux que, que, que, son dévouement. Donc, euh, si apporter la vérité, dire ce qui s'est passé selon notre point de vue peut l'aider, tant mieux. Mais sinon, le contexte pourquoi c'est sorti, je, je pense que tout le Sénégal sait dans quel cas de classer cela. Cela va de soi. Nous vous remercions, Michel Astokosek. Allez, je vous en prie. Merci beaucoup.